Jusqu'à juste pas fumer ma moula. mon mamoulé, on a des lovés, des lovés, des lovés. On claquait des thunes de Niamey jusqu'à l'homme et Moi j'ai pas de conculé, M6 sont fauchés, la zombie, les gnomes, ça mène pour vous dévorer. Parle plus de la taille, non, non. jamais t'auras ma paye. Tu frimes mais t'as pas d'oseille, t'es seul le monde comme les corneilles. On fait du rap, du souglou, des macosas. Ça me tient à cœur de faire bouger mes ça On fait du tout, on fait du tout, on fait du tout, on fait du tout comme un mini bazar. Je vois la concu dans le rétro, je suis dans l'avion et dans le métro. Et si le game ce n'est pas du porno, pourquoi beaucoup préfèrent se faire sodo Non, non, ouais, dans ce game trop de putes, et y a des suceurs de bites respect respecte ton Moi je suis là pour cravacher les billes. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie, zombie l'oignon. C'est la folie, c'est la folie, zombie l'oignon. Zombie l'oignon. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes des zombies contre la Covid-19. Dans Zombie 1, vous vous rappelez certainement, nous avons reçu sur cette émission le père Zombie. Nous sommes donc dans Zombilonium 2. Vous êtes connecté depuis Agadez, connecté depuis tifa connecté depuis Dosso, Tilaberi, Maradi, Zender, Nyame, Kolo, Torodi, Sai. On reçoit le père Zombie qui va donc s'exprimer sur cette rubrique dans quelques fractions de secondes. Hakim Eking s'est aussi investi dans la lutte contre la COVID-19. Sida, tu Malaria, tu Ebola, tu as vu, non, Corona, n'a pas sciencé. Ah, ah. Faut se laver les mains toutes les minutes, pousser dans les coudes, pas de bisous. Et c'est ça, je reste à un mètre. J'appelle ma populace, j'appelle mes fans, j'appelle ma famille. Et puis mes potos, c'est qui va avec porte et bête. Je suis en confinement. je suis en confinement. Ah, je suis en confinement. Moi là, je suis en confinement. Hey. et King, on sait très bien qu'on a été à un moment donné en confinement. Alors beaucoup de choses ont changé aujourd'hui eh, parce que il y a ce qu'on appelle le déconfinement progressif. Mais le virus continue toujours à circuler. Hakim, quel serait toi ton mot à l'égard de tous qui kiffent cette émission, à l'égard de tes fans, pour leur dire de faire gaffe, de tenir compte des gestes barrières, parce que le virus est toujours parmi nous. Et aujourd'hui, nous sommes des zombies contre la COVID-19. À tous les fans de Hakim, à tous les zombies de Hakim. Ici le Père Bison, à tous ceux qui suivent l'émission, à tous ceux qui sont fans, ceux qui sont scotchés. C'est pour vous dire que cette maladie est toujours là. C'est les zombies contre la Covid. Prenons nos dispositions. On est à mutation. One love. On doit aussi se dire une chose. Respectons les gestes barrières. parce que le virus continue toujours à circuler. Et nous, sur cette émission, nous voudrons faire mal à la Covid-19. Alors, pour faire mal à cette maladie, je voudrais que le père Zombie s'exprime à l'égard de tous qui kiffent cette émission. Je veux le mot de fond de l'artiste sur l'émission pour dire à ses fans que nous sommes des zombies contre la Covid-19. Nous sommes les zombies contre la Covid-19. Restons, restons, restons confinés encore le confinement n'est pas fini. Parce que quand tu vas vers la maladie, tu la ramènes à la maison. Protège-toi, protège ta famille et que Dieu nous protège tous. Que Dieu nous protège tous et on que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Alors Akime King, d'habitude on sort de cette euh, maison avec un son. On va parler de ta dernière sortie, le projet en Trois projets en Inde sur la rubrique L'artiste s'exprime Covid-19. Hakim Bouga Moutaï. Dis-moi, tu connais l'autoproduction C'est comme piloter trop de drones. Tout niquer, c'est tout ce que j'ai comme vision. Moi, Zikmi, c'est comme une école. Trois projets en Andé, trois projets en Andé, hey, hey, hey, trois projets en Andé, trois projets en Andé, hey, hey, j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère, J'ai quitté mes frères, j'ai quitté mes potos, j'ai quitté mon job. Vous avez eu donc à l'instant la dernière sortie de l'artiste qui Akime King sur l'émission Tous à la Fada. À partir de cet instant, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour prendre congé de vous. Sur ce, nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Kalangu.